Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. kat kat kan si kam tare kat kat kan si gondare lamba ta jinga kan si wantare kara bere kara gada feno si antare ai ber usu sangare gonu for mi nei si katare kani se si da satare hey ay, ai ma ile ai na bonka ichi game si yega ka kangai na sauti ganjo ka wai ni si na banda fusi ka ni si no banda i wai go ka mc adin si hinu boka to so wai ka donu akul kulja ala ina so soja. Vous le savez déjà, depuis un certain temps, nous sommes des loups contre le Covid-19. Vous vous rappelez certainement de l'artiste Ayman, on l'a reçu une fois sur cette rubrique. On avait parlé d'une chanson qu'ils ont composée ensemble avec les artistes nigérians. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé, puisque le virus continue toujours à circuler. Ayman, on te souhaite la bienvenue sur l'artiste S'exprime Covid. Merci, merci beaucoup. Et bel et bien, les choses continuent toujours. Il ne faut pas que les gens se disent que le confinement est déjà là, on a déjà déconfiné, que voilà, les écoles sont déjà ouvertes. Il ne faut pas que les gens se disent que c'est fini. Euh, le virus, il est là, il continue d'être là. Mhm. Et rien qu'hier, ou je sais pas, avant-hier, il y a eu déjà des cas qui ont été encore enregistrés, de nouveaux cas. Donc dites-vous que le Covid est toujours là, donc ce euh, c'est pas le moment, il ne faut toujours pas baisser la garde. Et on sait aussi que beaucoup de jeunes ont baissé aujourd'hui la garde. Entre autres, nous avons cité dans la chanson que vous avez eh, composée avec les autres artistes qu'il ne faut pas que Borma Sambou, eh, Goulezga, Armahan, Vers, Folankega, tout ça là. Mais aujourd'hui, d'une jeune Gounemissa, les gars, Sanga, Kulupano, Yekange, Wonter, Zenera. Alors, quel serait que mot, les gars, de ces jeunes qui kiffent cette émission Alors, je parle. En tout cas, ça <laughs> nous fait Yeah doro a gono okay <laughs> irma goy dirbo <laughs> irma ba han kirigite yeah irhim ga goy dirbo <laughs> chimira sanani coronavirus doro abasin de da boro kun okay da duni na gindi agindi gindi aska kawde ni aman ban mo okay makay gin bon hagoy tout simplement voilà alors à chaque fois, euh, sur cette rubrique, on finit avec un message. Yeah. Alors, je voudrais qu'on parle des messages, un message de, du confinement. Ok, d'accord Parce qu'on sait que vous organisez des concerts. Yeah. Ok, alors quoi le nouveau feeling euh, la, nouvelle distanciation, il faut toujours respecter les La nouvelle thématique est simple. Ok. On peut faire des concerts mhm. à distance. Mhm. On peut faire des concerts dans les salles Ok. On peut faire des concerts où vous êtes devant votre petit écran, je sais pas, devant votre téléphone et que vous nous recevez d'où que vous soyez. Uh-huh. C'est vous, si vous remarquez dernièrement, par exemple, avec les temps pleins, la finale a été euh, faite dans cette optique-là. Oui, sans public, sans public. public. Que les artistes, euh, les animateurs, euh, que les acteurs. Que les acteurs et, chacun son micro. Diffusé sur les réseaux sociaux. Et chacun son micro. Chacun son micro. voilà. Donc déjà, à partir de cet instant, on se dit que bon, les artistes, ils respectent euh, les gestes barrières, la distanciation sociale et tout ce qui va avec. Ça se voit déjà. ok, super. Alors, tu sais, on va parler un tout petit peu des sons qui cartonnent. Alors, je parle de l'artiste Ayman mhm. pour permettre à tous qui kiffent Ayman à travers nos 45 radios partenaires de kiffer un peu l'album. parce que, en fait, nous sommes jeunes et notre source sur la musique. Alors, j'aime un son, en tout cas qui fait feu, qui fait par les meufs, les nanas, parce que sur cette émission, elles sont toutes des reines. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Aïe, m'en a besoin de toi. T'es ma reine, je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Bébé, viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est ta c'est ta marraine. je parle de vous. Ouais, ouais. Toi qui kiffe cette émission, ben, t'es marraine. Alors, en dehors de marraine, on sait que tu as chanté aussi quelque part euh, dans tes yeux. Alors, j'aime bien cette chanson, en fait, pour faire plaisir à tous qui kiffent cette émission, à toutes les âmes sensibles connectées. Alors, je parle sur cette émission. Je t'ai promis de t'aimer, comment vais je vais tout donner. Je vais jamais te laisser tomber. Disque du roux, mon heure va sonner. Rassure-toi, ma bien-aimée, mon cœur tu l'as emprisonné. Alors on va finir cette émission, bien évidemment, avec petit frère, parce qu'il nous faut conscientiser, on doit s'adresser au petit frère. Et le petit frère, pour lui dire que le Covid-19 ou la Covid-19 est une réalité. Alors, petit frère. Petit frère, ma c'était. Hankaïgate. Tere Petit frère, ni maman. Ni maman, ni maté. kai ne masu ce hankai ga ce masu zai da lalai kan niri kai ne masu ce abin tunai masu haira abin tunai gin no chimi zinab kan sin da tangare zaman koi ne ne masu boyi lalo dandane ai talai fanni de ai mare masiti dadame mi sai go harsane zainab kaladan san kome zama goy yama ba gora yamo yamani buya bi sai hawi babondum ne wana haira se hal ni sibani matabi masigana jara lale kaine suba kaine gano gendere guni sintubu masite sere din furo sanira babo sindede anyanda baba hinno bale kanyanga moy ga kayindede akanu adoru igo irvane akanu adoru c'était le seul qui était là pour la réalisation de l'autre côté on l'appelle Mister Taf pour la réalisation de cette revue Covid-19 l'artiste s'exprime on vous donne donc rendez-vous dans un instant sur l'émission Tout ça fada eh, c'était Hayman c'était la machine Respectons les gestes de barrière on connaît agit. Skiashira. Hey.